le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes au studio Kalangu, 6 au quartier Kwarakano de Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Côte hebdomadaire, le forum de la presse. L'émission qui reçoit des journalistes de la presse locale écrite, audiovisuelle ou en ligne pour une analyse de l'actualité de la semaine qui s'achève. Au menu du forum de la presse, le Hajj édition 2019 avec tout ce qui tourne autour en termes d'avancées et de difficultés de l'organisation au Niger. Le second sujet du forum de ce soir, c'est cette nouveauté car le ministère des Transports veut changer le format du permis de conduire qui devient biométrique. Enfin, nous parlerons de la nouvelle mine d'uranium dont la pose de la première pierre de sa construction a eu lieu mardi à Madawela, dans le département d'Arlit. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gary, bonsoir. Bonsoir. Euh, Sa, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir. Bonsoir. Elal Suleiman Mahmoudou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Elal Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Présentation à Alassane Kouzi Mahmoudou. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse de ce vendredi 26 juillet 2019. Nous ouvrons ce forum par l'organisation du Hajj édition 2019. Le premier vol est parti lundi passé avec à son bord 560 pèlerins. Selon le service communication du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, les pèlerins seront acheminés selon une fréquence de 3 vols toutes les 48 heures à raison de 560 personnes par vol. Ce vendredi, matin, le cinquième vol a eu lieu et à ce jour, ce sont environ 2800 pèlerins qui ont été acheminés d'après le COHO. Le dernier vol est prévu pour le 1er août et le vol de ratissage pour le 5 août prochain. Euh, je commence par vous, Elad Suleiman Mahamadou du journal La Ligne Niger Inter. Faut-il féliciter cet état de fait, une avancée par rapport aux années précédentes où les pèlerins passent plusieurs jours avant de, partir et d'autres <laughs> n'arrivent même pas à partir À quoi vous liez euh, cela Bon, franchement, euh, notre vœu, pourvu que ça se passe bien, qu'on puisse acheminer tous les pèlerins, euh, parce que euh, jusqu'à quelques deux jours, euh, il y avait, il y avait vraiment de la polémique. Certains acteurs, en tout cas, se réunissaient dans le sens de contester l'injustice qui a été, selon eux, donc consacrée, parce qu'ils disent que cette année, d'habitude, ils procèdent par un tirage au sort pour décider l'ordre de passage des agences euh, cette année, cela a été refusé et effectivement, euh, le syndicat des agences pour le logement en tout cas, a considéré que c'est une injustice euh, qu'il faut réparer. Mm. Bref, c'est bien, vous de nous apprendre que, en tout cas pour l'essentiel, le transport est en train de, s'opérer parce que rien que le dimanche dernier, il y avait une réunion justement mm. des agences, en tout cas autour du, syndicat. Mm qui sont en train de chercher, euh, en tout cas, une sorte de, de, de vol de charter. Hmm. Bref, euh, je pense que c'est une très bonne chose, mais il faut dire la vérité. Hmm. Euh, la difficulté du Hajj au Niger, c'est le Hajj. Hmm. Et on le sait, aujourd'hui, il y a une concurrence entre la, la, je veux dire, la compagnie nationale qui est Niger Airways et la compagnie Max Air il va falloir, même par exemple cette année, j'aurais appris qu'on a accordé 1500 euros à la compagnie nigérienne. Il faut, comme, dirait l'autre, peut-être faire un peu euh, diviser la porte en deux. Parce que la vérité, c'est que tant que nous n'avons pas une compagnie nationale qui puisse véritablement, euh, euh, je veux dire, être viable, mm on va toujours avoir des difficultés parce que c'est une question de souveraineté. Mais pour le moment, en tout cas, euh, jusqu'ici, euh, les, pèlerins continuent d'être acheminés. Mais à quel prix euh, Comment ça se Cette année, par exemple, il y, a, par exemple une, vérité. Mm. Par exemple, Al-Manasik est passé outre le Coro. Ils ont les moyens, ils sont allés chercher leur avionneur, ils ont fait leur, transport. Euh, vous voyez, ça veut dire qu'en fait c'est une question de moyens. Mais c'est une question de souveraineté où vraiment il faut éviter des cas euh, en aparté. Vraiment mettre en avant l'international parce que tôt ou tard, tant qu'on n'a pas notre euh, euh, souveraineté, en tout cas notre compagnie, euh, cest à pas compter sur l'extérieur. parce que ces compagnies-là étrangères, c'est d'abord la priorité d'abord leur pays. Bien, et là justement nous allons revenir. Euh, Garé, Amadou, quelle est en tout cas votre appréciation de, de l'acheminement des pèlerins en Terre Sainte. On a mm. vu en tout cas cette semaine euh, l'avion qui fait des, des va-et-vient, des rotations entre euh, Niamey et, Djedda. Pour 2800 euh, déjà, pèlerins sont partis. Oui, pour le moment, je peux dire que tout va bien je veux dire pourvu que ça dure. C'est vrai que j'aurais aimé le système du tirage au sort parce que s'il n'y a pas le tirage au sort, les gens vont se demander mais sur la base de quoi euh, cette compagnie-là, ces, pèlerins partent avant. Le, mérite du tirage au sort, c'est qu'il met tout le monde dos à dos et avec témoins. C'est-à-dire que c'est avec toutes les agences, on vient, on tire au sort mm. et le nom de celui qui sort en première position est un fin classement. Ça évite des supputations. Mm. Parce que vous comprenez Parce qu'on va dire, ah oui, ceux qui sont partis en premier, c'est parce que le président est ami avec, etc. Mm, ça, il faut éviter ces choses-là. Il faut faire le tirage au sort parce que ça permet d'élever toute suspicion. Maintenant, les, les, pèlerins sont en train de partir, c'est une très, très, très bonne chose. Et j'espère que ça va durer jusqu'à la fin. Et, j'espère qu'il n'y aura pas aussi effectivement ces, problèmes qu'on a constatés par le passé, c'est-à-dire des mhm. pèlerins qui n'ont pas pu partir au Hajj. Mhm. Et, des situations assez désagréables. Des gens qui ont quitté l'intérieur du pays, qui sont venus ici, mais qui n'ont pas pu. plusieurs oui, oui, et qui n'ont pas pu. Franchement, je pense que cette fois-ci, j'espère, j'ai dit mhm. j'espère, parce que j'attends de voir, j'espère que les choses vont se dérouler vraiment sans encombre. Oui, Hussein Issa <clears throat> Au-delà du transport, l'aspect transport, il y a déjà un problème qui a été soulevé par, je crois, un membre de. Comment on dire Et ça, si vous voulez bien répondre euh, à la première parce que cet aspect dont vous voulez parler, nous allons en parler. c'est notamment ces membre membres de la commission, nous allons en parler. C'est bien, c'est bien que déjà, on commence à transporter les pèlerins dans les délais. Mhm. C'est déjà une bonne chose. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le souhait, c'est que ça puisse se poursuivre, comme l'a dit Alaj Suleiman, comme l'a dit Gaï, c'est bien que ça que tous les pèlerins puissent partir. Que, ah, attends. Attends. attends. Mm. Parce que ce n'est pas évident. Ça a commencé, on ne sait pas ce que ça va devenir par la suite. Parce que dans tous les cas, il reste combien de temps, combien de jours C'est limité. En tout cas, selon la programmation du COHO, c'est 3 vols voilà, euh, toutes les 48 terres à raison de 560 tu pèlerins. Viens, tu viens de parler de 2500. Il y a 2800, euh, pèlerins acheminés Mais on a 13 cette année Ils sont 13 268. déjà, il y a, des questionnements à ce niveau. Est-ce qu'on peut, dans le délai imparti qui reste là, est-ce qu'on peut acheminer tous ces 13 000 pèlerins-là Jusqu'au 5, c'est ça, le dernier 1er août, c'est le, c'est le, dernier, euh, c'est le dernier vol. Et le 5, c'est le dernier, c'est le vol de ratissage pour prendre les retardataires. Ça, va poser problème, certainement. Je ne le souhaite pas, hein. je le souhaite pas. Mais je me dis, à cette allure-là, on n'a pas respecté d'abord le tirage, comme ils l'ont dit, les deux. Et on ne sait pas comment ça va se passer par la suite, parce que ce n'est pas évident que cette compagnie-là, qui a commencé à acheminer les PL1 que cette compagnie tienne la route jusqu'au bout. Pourquoi Parce que tout simplement, ce n'est pas une compagnie qui est dédiée uniquement au Hajj. Bien. Issa, Issa Madougou vient de nous rejoindre. Issa, bonsoir. Bonsoir Alassane. Issa, euh, quelle est votre appréciation de, euh, en tout cas de l'organisation du HD de cette année, notamment l'acheminement des pèlerins qui a déjà commencé Je crois bien euh, que mes prédécesseurs ont déjà <laughs> pratiquement tout dit, mais moi mhm. je veux ajouter juste quelques points. Mhm. Moi je commencerai d'abord par dire que le prix du Hajj au Niger, c'est à revoir. À maintes fois même, on a interpellé les membres du gouvernement. Ils sont conscients. Vous vous rappelez la dernière fois, le ministre d'État qui a remplacer le Premier ministre. Il a reconnu qu'il y a des failles. Ils vont les corriger. Mais on sent que le gouvernement même n'a pas réellement la même mise dans la gestion du coho. C'est ça le problème. Il c'est a une c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter dans un pays. Mm. Quand il y a des gens qui sont là, qui ont été choisis, ils sont connus de tous pour conduire une mission bien déterminée. Laissez-les conduire leur mission et que leur hiérarchie puisse les respecter. Hmm. C'est ça. C'est parce que l'indiscipline aujourd'hui dans notre administration, c'est ça qui fait le problème. Parce qu'un membre du gouvernement, quand il convoque, par exemple, c'est sous la tutelle, le Premier ministre a le droit chaque fois, mais on a des échos. Comment, les comment se fait-il que un pays comme le Tchad, où nous avons les mêmes réalités, puisse avoir un prix du Hajj qui, se situe à 1 650 francs CFA. Ici, 2 oui, ici tout à l'heure, pour finir, mm. Alej a dit quelque chose de très pertinent Quoi? et de très important. Mm-hmm. C'est une question de souveraineté. Le transport des pèlerins, normalement, c'est l'État qui devrait vraiment avoir l'unique monopole l'État a une structure qui connaît, qui a une adresse fournie, à savoir l'Agence nationale de l'aviation civile. Pourquoi ne pas donner l'opportunité ou bien la gestion du transport que de vraiment. Moi, je suis sidéré. Tout à... Je viens tout récemment du Burkina et quand j'étais parti là-bas, je voyais les gens partir. Et j'ai appelé ici pour. Sans problème. Hein. Oui, sans problème. Hmm. J'ai appelé ici pour savoir qu'en était de la situation. On me dit non, même le premier vol euh, il faut. C'est Kayekaha. Donc il faudrait que c'est l'État. Moi, ce que je voudrais, pour terminer, mm. vraiment ce que Allah a dit, il faut que ça, on décortique cela, que c'est une question de souveraineté. Mm. Il faut que les gens partent à temps et qu'ils reviennent à temps aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'après le Hajj, mm. on les fasse poireauter en Arabie Saoudite sans ressources nécessaires de prise en charge. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc euh, le tout n'est pas de partir, mais de, non, mais oui, effectivement, il faut pas que ce laisser. au départ, on a dit qu'il y a un laisser aller, on a créé le coho, parce qu'il faut que les gens arrêtent de faire avec la foi de Dieu comme un élément de commerce. bien, bien, nous continuons sur notre point volet restauration des pèlerins. Nos confrères du journal en ligne Niger Inter rapportent que l'âge Hajj El Haj Sali Sourabiou, membre d'une mission du comité préparatoire de l'édition 2019, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il accuse certains responsables du COHO, notamment d'avoir perçu des pots de vin dans le cadre de l'attribution du marché de restauration des pèlerins à un opérateur de la place. Et il a aussi annoncé avoir été approché pour percevoir une importante somme d'argent afin que le marché soit confié à un prestataire dont il a lui-même cité le nom un certain, euh, bon, nous allons, nous taisons le nom. À ce jour, aucune réaction du COO, pourtant chargée euh, dans euh, cette déclaration. Euh, le Suleiman Mamadou, du journal en ligne Niger Inter, quelle est votre analyse sur ce sujet sérieux au sein Franchement, pour nous, c'est un scandale, c'est assez grave. Dans un pays où, au niveau de la Kaaba, un citoyen, un musulman de surcroît dit que voilà, la main sur le courant, je jure qu'on m'a proposé 20 millions pour me pour et que cela ne puisse pas vraiment susciter une réaction. De la part de ceux De la part justement des responsables du COHO. Hmm. C'est assez grave. Mais ces gens n'ont pas daigné réagir. Et mieux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là Non, on euh, tout de suite, on a hmm. pensé que véritablement le procureur pourrait s'autosaisir de la question. On a essayé d'investiguer, on est allé euh, au niveau du COHO pour qu'il puisse euh, réagir. Euh, on a eu un rendez-vous, mais quand on était venu, le, haut-commissaire était très occupé, malheureusement. Mais on a notifié euh, à son cabinet que, en tout cas, voilà, nous, sommes en train de faire une enquête là-dessus. Si vous ne réagissez pas, en tout cas, avoir publié nos informations. Hmm. On a contacté les gens au niveau donc, du, de, syndicat de, haché Omra, qui nous ont dit que si effectivement aujourd'hui encore, si c'est que nous a dit est faux, cela veut dire que soit doit porter plainte contre lui, ou bien ce, cela, ce n'est pas le cas. Hmm. Mais nous avons appris ce qui nous a un peu soulagé, c'est hmm. qu'au niveau de la Alcia, ils sont en train d'auditionner en tout cas un certain nombre d'acteurs pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai. Salut, nous l'avons appelé, il nous a confirmé qu'il maintient ses propos. Hmm. D'aucuns ont tendance, dont un confrère, à dire que ce monsieur, il est fou. Non, moi je pense que euh, euh, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce qu'il a dit. Dans un pays normal, Et dans un pays normal, j'ai dit la gravité. Nous sommes. Écoutez, c'est encore plus grave parce qu'on dans le du Hajj, le cinquième pilier de l'islam. Comme ce qui ça vient Donc, ça qui rend justement la situation mm. plus compliquée. Donc, soit maintenant, euh, en tout cas, on pense, on espère bien, euh, on est en train de faire le Hajj, mais tôt ou tard, il va falloir que. Parce que le, le, le est attaché à la primature. Donc, nous en tout cas espérer que c'est le premier qui est interpellé, en tout cas, de rendre compte au Nigérien. Autrement, on dirait qu'effectivement, son cabinet est, complice de la situation. Donc, en tout cas, je pense que pour, faire court, hmm. c'est un scandale en bonne et due forme. Et, à moi, je pense que, vu la gravité de la situation, hmm. la CABA, lui, il sait ce que ça veut dire. Au niveau de la CABA, tu dis une chose aussi grave, et il a dit des, chiffres et des faits précis. Donc, je pense que la moindre direction, en tout cas, nous sommes en démocratie. Si on a un dégât pour l'opinion publique, il importe de venir éclairer l'opinion publique. En tout cas, ça me semble en tout cas la démarche normale. Et ça, Madougou, vous avez suivi cette euh, affaire Oui, que le mardi, quel est le commentaire que le mardi passé, moi j'ai discuté avec ce monsieur et il est, il est revenu sur les mêmes propos et il dit qu'il maintient. Il a même des preuves qu'il est prêt. Maintenant, euh, moi je n'ai pas investigué, mais euh, c'est que euh, la démarche entreprise par euh, Niger Inter, mm. comme Suleiman, vient de l'expliquer, moi je pense que c'est ça. Si on, a, charge quelqu'un, normalement, dans le, bon sens, vous voulez que vous réagissez pour qu'on puisse comprendre, faire la part des choses. Mais un, les gens vous s'approchent de vous et vous refusez. Vous construisez un mur de Berlin entre vous et l'opinion pour ne pas que les gens comprennent. Ce qui veut dire qu'il y a un, véritable problème qui se pose. C'est que c'est le Premier ministre qui est interpellé. Même la dernière fois, quand on l'a interpellé, il a amené. C'est le ministre. Mais le ministre d'État Bazoum ne peut pas répondre à sa place parce qu'il ne gère pas le coho directement. C'est ça le problème. Il y a même là-bas une fuite de responsabilité. Il faut lui dire, les mots terre à terre. Parce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un parce qu'il a le titre de ministre d'État pour répondre à votre place. Il va faire quoi Il va faire quoi Il va donner quelle véracité quel est l'élément euh, euh, rassurant qu'il va apporter à la représentation nationale. Voilà le problème. Et moi, je suis vraiment euh, satisfait que Suleiman puisse nous rapporter que la Halcia est en train de, hmm. de, des, personnes, et ce qui veut dire que il faut que les gens fassent extrêmement attention. la, recherche du gain ne veut pas dire qu'il faut être immoral et bafouer les règles divines. Parce que la question du Hajj, ça concerne Dieu c'est la foi. On ne peut pas commercer la foi de Dieu. Euh, Hussein Issa, vous avez voulu évoquer <laughs> cette question. question. Le détail, je vais revenir. Moi, je vais aller en profondeur. Parce oui, allons-y. Il y a des pèlerins qui quittent l'intérieur du pays, qui viennent, qui ont déjà versé un certain montant pour pouvoir effectuer. Ils sont à Niamey, c'est souvent les, les, agences qui les amènent. On leur dit il faut 250 000 pour la, le, comment on appelle ça, pour la restauration à, mm. Mina et, quand la personne vient, la personne a considéré déjà qu'elle a payé tout et qu'on lui, impose un, montant, un montant qui n'est pas en sa possession. On lui dit de faire quoi Parce que 250 000, c'est pas quand même euh, des, pierres. C'est pas, c'est pas. Mm-hmm ça veut dire que il doit encore mettre la pression sur ses parents qui sont restés au village pour qu'on puisse trouver le complément nécessaire lui permettant d'aller. Mm. Moi, je dis ici, Salisu Rabio est sorti pour faire cette déclaration-là, officiellement, à partir de la Mecque. Mm. Ça veut dire que tout simplement, il sait de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est dans ce domaine-là. Ça fait des années qu'il est dedans. Il sait de quoi il parle. Et quand il n'y a pas eu de réaction, comme l'a dit Alain Suleiman, il n'y a pas eu de réaction, ça veut dire qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il a rapporté. Maintenant, comment doit-on gérer cette question-là Comment doit-on gérer C'est l'État qui doit gérer parce que le Haut Commissariat, c'est quand même un instrument de l'État. On ne peut pas laisser des choses comme ça s'est déroulé. Lui, il a juré, il dit que quand il va venir, il va faire une conférence de presse pour dire voilà comment les choses sont en train de se dérouler mm. et qu'il n'est pas dedans. Mm. Et moi, je considère que la, position, sa position, l'acte qu'il a posé, mm. c'est un acte noble. Parce qu'il ne faut pas faire souffrir des gens qui ont peut-être vendu des quantités de stocks de, céréales pour pouvoir aller à la Mecque. On va venir encore mettre la pression une pression financière sur. Carré Amadou euh, euh, euh, excusez-nous. Oui, je, je, suis d'accord avec ce que dit. Vous savez, les agences, quelque part, les agences de voyage ne sont pas sérieuses. Parce que quand on dit que le prix du Hajj, c'est tel montant, moi, à mon entendement, ce montant-là, quand vous le payez, on vous achemine, on vous héberge, on vous restaure. Mais je ne comprends pas pourquoi les agences, c'est quand vous venez, on vous dit non, non, euh, la bouffe, c'est à part. L'année passée, j'ai posé à une agence, j'ai dit, mais, je ne comprends pas votre. Ah oui, oui, ils disent que non, non, le prix, de la bouffe n'est jamais compris. J'ai dit, mais c'est anormal ce que vous faites. J'ai dit, mais c'est grave. Concernant l'affaire de, l'affaire de, du Coho, mais c'est une accusation extrêmement grave. Mm. Et vous savez, au niveau de la cour il y a une cellule de communication, il y a, un service de communication. On ne peut pas faire une accusation aussi grave contre le président du Congo. Il manquait une réaction. Non, mais et puis on se tait comme ça. Dans des pays normaux, il y aurait, y aurait des situations où le président du Congo va appeler la presse pour lui expliquer que, contrairement à ce que l'autre dit, voilà ce qui se passe. Mais il ne dit rien. Ça veut dire, c'est ce que Hussein dit. Quelque part, il y a il y a un brin de vérité dans ce que le monsieur a dit. Si le monsieur, il n'y a aucune contradiction, mais nous, nous prenons pour argent comptant c'est lui. Bien, mais, mais puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui, est venu au niveau du Coho nous dire que Ah non, c'est vous. Ce n'est pas ah, vrai. donc on dit que ce monsieur-là a raison. Ça veut dire que c'est une histoire de 20 millions là, c'est vrai. Mais euh, au bénéfice du doute, mais nous, quand même, nous préférons donner 80% raison, mmh. puisqu'au niveau du COHO, jusqu'à présent, malgré le fait que la Halicia a engagé une procédure, personne n'est venu, sorti pour parler. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on considère que ce monsieur a raison. Mais la Alcia va nous permettre de voir plus clair dans cette affaire-là. Bien. Et permis de conduire biométrique, le second sujet de ce forum, donc, euh, c'est une initiative, je le disais, du ministère des Transports, euh, notamment le passage du permis de conduire en carton à un permis de conduire biométrique. Un délai d'un an a été accordé à tous les détenteurs du permis de se conformer à cette nouvelle donne sous peine de sanctions à l'expiration du délai. Et pour l'obtenir, il faut débourser 19 000 200 francs pour ceux qui sont en possession de l'ancien. Alors, euh, Gary Amadou, quel commentaire cette nouvelle mesure vous inspire ainsi que les motivations qui la sous-tendent bon, Concernant le principe du, permis biométrique, moi je ne vois aucun inconvénient. Mais ce qui me gêne, c'est le prix. Moi je ne vais pas passer par quatre chemins. Hein. Hum. Non, c'est trop. il faut qu'on arrête. Et nous, nous avons déjà nos permis, n'est-ce pas Bon, et on a payé des timbres pour ça. Bon, moi, je peux comprendre, on dit, oh oui, on va aller au biométrique. Mais pourquoi, pourquoi 12 000, 19 Pourquoi les, vieux là qui ont des vieilles voitures là, ou qui font, euh, pour, chercher le condiment là, il faut encore leur demander 19 000 pour avoir le biométrique. Mais alors pourquoi C'est-à-dire, moi pourquoi dans ce pays-là, parfois, on fait des choses, mais j'ai l'impression que les gens ne réfléchissent pas avant de poser ces choses-là. Pourquoi ne pas Moi je ne suis pas contre le fait qu'on paye 5 000, ça va mhm. Quelqu'un a dit 3 000, j'ai dit non, 5 000 même ça va. Mais 12 000 Vous, me parlez de 19 000 même. 19 200. Est-ce que c'est normal ça euh, Il paraît que demain, le ministère du Transport va animer un point de presse. On ne sait pas ce qu'ils vont dire. Mais je vous Parce que, déjà, il y a un certain nombre de réactions non, de la part des non, transporteurs, des taximens. Non, il faut qu'on arrête. T'as dit, c'est trop. C'est trop 12 000, c'est trop 19 000. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise la vérité une fois pour toutes. Vous savez ça Non. J'ai un permis qui date de plusieurs dizaines. Décennies des dizaines d'années. On se lève un beau matin, on me dit que mon permis là. Tu dois le changer Il faut que je le change. Et tu dois payer Et que je dois donner de l'argent pour qu'on me, on me renouvelle, euh, on me fasse un permis biométrique qu'on n'a jamais présenté. Il n'y a pas eu de communication autour de ce il n'y a pas eu de communication. Mhm. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Il n'y a pas eu de communication. Un bon matin, on se lève, on dit non, non, non. Il y a eu un communiqué du ministère. Mais communiquer, ça ne suffit pas. Il faut sensibiliser. C'est quoi C'est quoi l'utilité de ce permis biométrique là mhm. C'est quoi l'utilité C'est comme un peu les de cette histoire de plaques mhm. des, véhicules. On s'est levé un beau matin. On a dit, voilà, il y a une société partenariat public-privé. On est venu imposer aux gens où tu dois aller débourser plus de 50 000 souvent pour, ah, pour la plaque, alors que les anciennes plaques n'ont aucun problème. Aujourd'hui, on se lève un matin encore, on dit, permis là, il faut changer. Parce que ton permis que tu as là, mais qui a, qui, a, délivré ça C'est qui qui a délivré le permis C'est pas l'État. Si c'est l'État qui a délivré le permis. En vertu de quoi l'État peut se lever pour donner, accorder, comment vais-je dire, le marché à quelqu'un, un privé, qui va me prendre de l'argent. Et pas n'importe quel argent. 19 000, c'est un salaire. c'est un salaire. Bien. <laughs> Euh, Mamadou euh, moi, je commencerai, Vous avez aussi je commencerai euh, d'abord par, euh, mm. dire que la démarche même, en fait, n'est pas bonne parce que euh, vouloir gouverner par communiquer, ce n'est pas une bonne chose. Il faut communiquer. Euh, récemment, euh, lorsque le, la délégation spéciale de la ville de Niamey a voulu entrer la, la cité, ils ont quand même commencé à faire, en, tout cas un peu sensibiliser, même si on a reproché que ce n'était pas suffisant. Hmm. Nous sommes en démocratie. La moindre des choses, c'est d'informer l'opinion publique euh, s'il y a des mesures aussi graves. Parce que vous voyez, ça fait maintenant beaucoup de polémiques. Donc on voit même en que c'est une nouvelle imposition de, de, de, de, en fait par la DGI, détourner de, la DGI. vous voyez Donc franchement, je pense que déjà, non seulement au niveau de la démarche, en tout cas, l'élection que je lis, à travers la presse nationale, à travers les réseaux sociaux, mm. montre à suffisance qu'effectivement, au niveau de la démarche, euh, le ministre euh, de la, des Transports était transports. Mal, mal, là sur le fond de la question, euh, ce que euh, justement, il va falloir expliquer demain, puisqu'il y a un, point de presse qui, qui est envisagé. Mm. les frais d'abord, le, c'est 12 000 ou c'est 19 200. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce qui est gênant, ceux qui sont à partir faire le, le, le permis, il paraît qu'il y a 5 000, tu payes les 12 000, de ça à, part. Maintenant, les 5 000, on te donne juste un, papier. En tout cas, franchement, parlant, <laughs> ça ne qui, pas. C'est comme si ça va dans les poches de quelqu'un, on ne sait pas. Donc, franchement, aussi, il va falloir expliquer aux, gens combien ça va coûter au niveau de la société qui a eu donc, le marché. En fait, Et où va l'argent Où va l'argent mm. Maintenant, toute, la question aussi, c'est de dire que, euh, véritablement, euh, si l'État est responsable, comme l'a dit Ousseine, c'est l'État, effectivement qui avait décerné à travers donc, euh, des techniciens qui, qui font donc, le, permis. Maintenant, si l'État voudrait sécuriser euh, le permis, en tout cas pour la sécurité de, de, tout le monde, hmm. l'État aussi doit consentir un sacrifice pour en tout cas alléger. Parce que comme il dit, en les, tout cas, les frais du passage. pas tout le monde qui peut vraiment débourser cet argent. Par conséquent, il va falloir faire en sorte que ça revienne en tout cas à un prix moindre. C'est-à-dire que même si, la, même si, par exemple, le côté technique là, va coûter cher, c'est à l'état d'amortir cet aspect-là. Issa, ça, Madougou, euh, c'est un délai d'un an qui a été donné aux, utilisateurs, en tout cas à tous les détenteurs du permis, de se conformer à cette euh, nouvelle mesure. Peut-être que d'ici la fin de l'année, <laughs> euh, le, ministère de la, des Transports va faire peut-être un bonus aux gens pour payer, pour prendre en charge les frais. Moi, je vais aller au-delà des frais. Mm. Mm. Le terme permis biométrique. Mm. Donc, ce qui veut dire que c'est l'identité de la mm-hmm. personne. Mm-hmm. Alors, avec empreinte Non, il faut que les gens soient qu'on ne blague pas avec certaines choses. Ça, cette façon de faire, c'est vraiment une atteinte même à la sécurité publique. L'identité des citoyens, la conservation de l'identité relève seulement des forces de défense et de sécurité à travers la police. Si un voyou se permet de pirater leur serveur, c'est comme l'affaire de Sonny Loga. Mm-hmm. Moi, c'est pour cela cette histoire de Sonny Loga, j'ai dit non il faut donner à la police ou bien à, des éléments de des forces de défense de pour gérer mhm. nos identités. Déjà, Parce que, a été trafiqué. si des gens arrivent à trafiquer des banques, vous vous rappelez de l'histoire de la Sony Bank mm. Quoi, une société comme Sony Loga une banque, son banque, c'est pas une petite mais là, banque. de... Non, en fait, c'est la biométrie qu'il faut. Nous, nous sommes dans un processus où on va établir un fichier biométrique électoral. Mm. Pourquoi Il faut attendre d'abord. La biométrie, c'est pas le permis. La biométrie, c'est la carte d'identité qu'il faut faire biométrique. On va se baser. Moi, je suis mm. sûr que c'était l'idée comme ça. Après l'établissement du fichier biométrique électoral, mm. l'État va se baser sur ça maintenant pour établir des cartes d'identité. En ce temps, Peut-être que cette histoire de renouvellement de, mm. permis va suivre. Mm. Mais dès maintenant, moi, je ne suis pas partant pour ces histoires-là. Pourquoi Si mon permis. non, non, non, non, non, mon <laughs> identité, je ne peux pas confier. Quelle est la tu pas confiance. Parce qu'il faut que la police soit là. il faut que la police soit là pour. Oui, il faut que la police moi, je n'ai confiance qu'aux forces de police pour conserver mes identités. Bien, je ne vous peux pas donner mes identités à quelqu'un dont un voyou va dormir chez lui en Europe, il va trafiquer l'or, il va balancer ça et les gens ne seront pas oui, rapidement, vous, voulez savez, réagir Vous savez, ce qui inquiète même le plus, hmm. c'est qu'on ne sait même pas sur la base de quoi cette société-là a été choisie. Elle vient d'où c'est qui cette société qui, va faire ça Ils viennent d'où Comment est-ce que le marché a été passé Vous voyez toutes ces choses complètement bizarres, complètement sombres. Et puis bien, on vient, on nous balance un, chiffre de 19 000. payer, mais pourquoi le Non, c'est trop. Hein. Eh, si ça dépasse, si ça hein. dépasse 5 000 là, c'est trop. C'est trop. Bien. Demain, je sais qu'ils vont faire une bonne proposition. Mais non, je veux dire, non, euh, euh, Gary vient de dire ce que j'ai envie de dire. dans ce cas, nous allons passer au, sujet. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on ne s'amuse pas avec les questions de biométrie là. on ne s'amuse pas avec. L'identité c'est important. c'est important. Des hein. gens vont venir s'installer, des gens vont venir s'installer de Peut-être pour chercher de l'argent. Oh, moi, je vais aller confier toute mon identité, tout ce que. Et, et demain, quelqu'un va poser un acte quelque part. On va dire que c'est Youssef Nissa. C'est qui la société qui fait ça C'est ça votre crainte. <laughs> mais bien, c'est C'est délicat. En tout cas, demain, comme vous l'avez dit, il y a euh, cette conférence de presse qui est prévue. Euh, nous ah, espérons que. C'est un bon chiffre qu'il va diminuer le 19 000. Là. alors, alors autre aspect que je voulais euh, soulever avant qu'on ne passe sur le dernier sujet, contrairement à l'ancien permis, celui-ci est à renouveler au bout de 10 ans le permis qu'on a, qu'on a, en tout cas, euh, qui circule actuellement, et c'est à vie, c'est éternel. Maintenant, ces nouveaux permis biométriques expire euh, expirent après, 10 ans. Euh, quelle différence cela, cela fait d'après vous plus à ou bien quoi Ça n'a aucun sens. C'est comme, le bac que j'ai depuis <laughs> le, diplôme universitaire. les, diplômes universitaires. On va dire que dans 10 ans, je dois renouveler le bac, je dois renouveler la licence, la maîtrise et tout et tout. C'est un peu ce que Parce que le permis, c'est un diplôme. Non, mais non, le permis, c'est un diplôme. Les gens mangent avec le permis dans ce pays. Non, c'est un diplôme. Mais, un diplôme. Mais tu fais des cours pour vous aussi, il n'y a pas de, différence. Mais, oh, mais a raison. Mais c'est un diplôme, le permis. Parce que, regarde, vous prenez des cours, vous faites la théorie. Parce que certains disent que le fait que cette ce permis euh, euh, possède une date d'expiration, un délai de validité, permet peut-être que ceux qui font beaucoup d'accidents ou ceux qui ne sont pas disciplinés, qu'on puisse leur retirer le permis, qu'on puisse plus, renouveler ça, le permis. C'est pas comme ça qu'on fait. cest à que, bah, en France par exemple, en France, euh, il y a des pénalités qu'on vous fait, au bout de certaines pénalités, on vous enlève. Ça, ça on, comprend. Mm. Mais comment on va me dire qu'au bout de 10 ans, mon permis va mourir Pourquoi tu dois juste le renouveler. Non, non, non, attends, s'il te plaît. Non, non, non, attends. Non, ça, c'est. Écoutez, voilà, voilà des aberrations. J'espère que demain, ceux qui vont aller au point de presse vont poser ces questions-là. Ça n'a aucun sens. Parce que nous, on a fait, je vous dis, des épreuves théoriques, des épreuves pratiques, la conduite. Ensuite, on nous a donné le permis. C'est un diplôme, c'est comme le bac. Le bac, on ne peut pas dire au bout de 10 ans, il faut le renouveler. Non, ça n'a aucun sens. Et donc, le permis, là, c'est à vie. Si on fait le permis biométrique, il faut qu'il soit à vie. Non, c'est clair, hein, il faut qu'on le dise au ministre. S'il y a un permis biométrique, on n'est pas contre. D'abord, on est contre le montant, il faut le rabaisser, et il faut le faire, c'est à vie, comme l'ancien permis. Parce que c'est ça seulement qui peut nous calmer, nous. Et aussi des garanties par rapport à la société. et euh, par c'est la société. les garanties par rapport à la société. Parce qu'on ne peut pas confier l'identité des Nigériens à une société dont nous, on ne connaît pas, où ils sortent, quelles sont leurs compétences non, il faut que. Parce que nous sommes en train de blaguer avec des ah. choses qu'il ne fallait pas blaguer. Mm. Moi, je pense que l'identité d'une personne, seule la police ou bien les forces de défense et de sécurité peuvent avoir la gestion et, la garde. C'est les données personnelles. Non, c'est les, données personnelles. Aujourd'hui, c'est le débat en Europe partout. Parce qu'il faut la protection des données personnelles. Vous ne pouvez pas confier vos données à un gars dont vous ne connaissez même pas. Personne ne le connaît. Qui il sont Elle, elle a juste les mains cette délai, ces délai en tout cas, qui est ce permis, vient d'ajouter. Bon, ça montre véritablement que la société, les idées par ceux-là qui ont conçu cela, peut-être après 10 ans, il faut encore venir leur verser de l'argent. <laughs> Euh, donc, euh, bref, euh, je pense que franchement, si c'est temps que le ministère des Transports, en tout cas, tient compte de l'opinion publique, en tout cas, la réaction des uns des autres doit être, en tout cas, considérée et par conséquent, revoir cette situation Sinon, franchement, on est très mal parti. Bien. alors, nous passons au dernier sujet. je, je, juste rajouter à ce je viens de dire. Nous sommes très mal partis. Parce qu'on va tout remettre en cause après. On va venir faire installer des gens dans ce pays qui vont se faire de l'argent. Parce que moi, j'ai contesté cette histoire de plaques. Les plaques numérologique des véhicules. Mm. On est venu, on a imposé aujourd'hui il faut même le malin. Quand tu veux avoir la plaque, mhm. il faut même le malin parce que tout simplement, ils considèrent qu'ils se sont imposés. Et moi, j'ai dit, mm. avec le permis, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire de cette façon. Le permis, c'est un diplôme. Les taximans mm. travaillent, les gens travaillent avec le permis, c'est un diplôme. Mm. On ne peut pas dire tous les 10 ans, je dois aller renouveler. Bien, nous terminons avec la s'il vous plaît, si vous permettez, nous allons passer au dernier sujet, euh, la pose de la première pierre d'une nouvelle mine d'uranium à Madawela, dans le département d'Arlit, région d'Agadez. La cérémonie a été présidée par le président de la République du Niger mardi passé. C'est un projet de 300 millions de dollars qui sera financé par la société canadienne Goviex sur deux ans. Je vous propose de suivre d'ailleurs un extrait de l'allocution prononcée par le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, en cette occasion. Et je fonde l'espoir que euh, l'industrie de l'uranium va continuer à se développer autour d'Arlit et dans la région d'Agadez en général. Je fonde l'espoir que l'injustice dont est victime l'uranium prenne fin un jour. L'uranium euh, a toujours été victime d'une euh, faiblesse des prix. L'uranium a toujours été frappé par cette injustice qui fait que son prix ne correspond pas à son pouvoir calorifique. Et malheureusement, le marché de l'uranium a connu très peu d'années de boom. Tous les 50 ans, on a connu à peine 10 ans de bon prix, donc on a connu 40 ans de dépression. Alors, vous venez de suivre le président de la, République, de la Mamadou, à l'occasion de la pose de la première pierre de cette nouvelle mine d'uranium euh, à Madawela. Gare Amadou, quel commentaire avez-vous à faire à propos des souhaits formulés par le président de la République du Niger qui voudrait voir que, euh, selon ses propres termes, que l'injustice dont est victime l'uranium puisse prendre fin oui, parce que en fait, les mots du président, ce sont des mots en fait qui sont dus de façon diplomatique, mais qui s'adressent à une puissance qui vient déterminer. Parce que quand le président dit que le gouvernement est bien et mal payé, le président en fait, en réalité, il critique la France en fait. Les gens ne n'ont pas compris. Regardez, la France a abandonné le projet Imouraren. La France veut fermer la Cominac. Cominac. Oui, Déjà fait. donc, et c'est dans ce contexte le président dit non. Et si vous, vous ne croyez pas en l'uranium, nous, on va chercher des partenaires qui croient en l'uranium. Et c'est pour ça que les Canadiens sont venus. Et quand le président dit que, ah oui, ça fait, l'uranium est mal payé, en réalité, il y a un malaise national par rapport à l'exploitation de l'uranium nigérien. Les Nigériens n'en profitent pas de l'uranium. Qui profite de l'uranium C'est la France. On revient toujours au même, au même, au, même, au, même résultat. C'est-à-dire que le Niger a l'uranium l'armée, comment on appelle ça, la, France profite de l'uranium nigérien. On dit que combien d'ampoules sur, deux ampoules sur trois en France sont euh, en tout cas alimentées par l'uranium nigérien. Mais nous, on a des problèmes d'électricité et nous, on ne profite même pas financièrement. On dit que c'est 5%, en plus. oui, mais donc, il y a le président... Donc pour vous, il y a un message diplomatique, un, message... C'est un malaise que le président a exprimé. C'est-à-dire que le malaise, du peuple, malaise du peuple que le président a exprimé quand il dit que l'uranium est mal payé, et que certainement qu'il espère qu'avec les Canadiens, il y aura une embellie. C'est ça en fait ce qu'il veut dire. Hussein ça Une nouvelle mine à Madawela C'est un sursaut. Quand il a dit le discours qu'il a tenu, mais j'ai dit, on peut aussi décider à notre niveau. Parce que vous avez vu, juste après le lancement, il y a eu, ils sont venus pour dire qu'ils n'ont pas abandonné Imouraren. Alors que. voilà. Alors que ils étaient là pour dire que Imouraren, l'Iranum est tombé bas, il ne peut pas continuer. Ils sont en train de fermer Cominac. Comme ils ont vu les Canadiens s'installer, maintenant, ah. on, se déplace pour venir dire non, non, non, on tient à Imouraren. La plus grosse mine, 5000 tonnes donc, euh, pour vous, c'est cette nouvelle mine d'uranium de Madawela, c'est une façon de, dire quoi Oui, bien, sûr, bien, évidemment. Bien évidemment, aujourd'hui, aujourd'hui, quand même, les ressources naturelles, les gens se sont développés avec ça. Il y a beaucoup de pays qui sont développés avec les ressources naturelles. Mais tu ne peux pas mettre en jachère ma ressource naturelle pour que tu me donnes des aides budgétaires qui servent pratiquement à rien du tout. Euh, ceux qui veulent exploiter, qu'ils viennent exploiter. Le pétrole, on a vu, si, si on devait s'en tenir aux Occidentaux, on n'allait jamais exploiter le, le, le, pétrole. Bien. Parce que tout simplement, pour eux, il faut, c'est une réserve qui est là. Il faut la garder. En attendant. en attendant quand les Chinois sont venus, ils ont vu que les Chinois sont parvenus. Aujourd'hui, on est en train de tendre vers l'exploitation même du brut. Bien. Si, on devait, s'en tenir aux euh, Occidentaux. nous allons continuer parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous allons donner la parole aux autres. Euh, Mahamadou. J'ai senti dans le discours du président de la République euh, un aveu d'impuissance au sens où, en tant que chef d'État du, Niger, et c'est la vérité, à savoir que nous n'avons pas toujours assumé notre souveraineté. Mhm un certain nombre de circonstances qui nous ont imposées. Donc lui, la police où il est, il a le pouvoir, si effectivement, il, euh, de décider que ce soit autrement. Mais je comme l'impression ce n'est pas le cas. Donc euh, je pense que ça fait méditer, ça laisse en tout cas à méditer les Nigériens que tôt ou tard, il va songer effectivement à ce qu'on affirme notre souveraineté, tant que ça nous appartient. Parce qu'en réalité, comme il a dit, cette question de mettre notre bien en jachère, vous ne pouvez pas assurer euh, l'avenir la, de, vos, de, vos enfants, pendant que nous, déjà, en tout cas, chez nous, tout est prioritaire. Mm. Euh, donc, moi, je pense que c'est la réalité des choses. C'est la réelle politique. Le président est dans une posture où, franchement, il est gêné. Il sait de quoi il s'agit. Euh, mais je pense que cela doit interpeller en tout cas les Nigériens que franchement, il faut à un moment dire soit on arrête, soit on continue, ou, bien on donne, ou, bien on n'a pas d'autres partenaires. Bien. Issa Madou, euh, moi, je pense que d'abord, euh, c'est une bonne chose euh, la diversification des partenaires. Mais d'abord, je tiens à rendre un hommage à l'artisan de l'aboutissement de ce projet, Feu Aminou Boukari qui a vraiment conduit ce projet de bout en bout. Et aujourd'hui, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Mais quand même, nous tenons à lui rendre un hommage parce que c'est un Nigérien qui était vraiment à la tête. Et quand même, ça veut dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons les compétences de conduire des grands projets. Maintenant, euh, vous avez vu tout à l'heure, je crois bien, c'est <laughs> Hussein qui a parlé de Notch, le directeur général de Orano, qui était venu traîner sa veste ici au Niger pour dire patati patata, nous on a fait ceci, on n'a pas fait. Mm. Non, non, non, non, non c'est vraiment, il faut. C'est un repositionnement stratégique qu'ils sont venus faire, mais non, le Niger n'est plus dans cette mm-hmm. euh, dynamique aujourd'hui. Le Niger est dans une dynamique de diversification des partenaires. parce que le Niger mm-hmm. doit profiter de ses ressources naturelles. Comme l'a dit Alagi, vous ne pouvez pas euh, vouloir projeter un avenir radio pour vos enfants pendant que vous euh, hypothéquez l'avenir des enfants des Nigériens. Ce n'est plus possible ah. aujourd'hui. Alors, comme le cas du pétrole, vous avez vu depuis que les Chinois ils ont commencé à faire le mm. gros dos, depuis que Savannah est venu, les Chinois, mm-hmm. constamment, ils, ils, cherchent maintenant, même l'exportation, c'est eux qui, qui accélèrent le projet pour mm. qu'ils commence à exporter parce qu'ils savent que maintenant, mm-hmm. ce n'est plus. Il y a deux bords. Si vous ne pouvez pas, le mm-hmm. Niger a le plein droit de dire OK, comme vous ne pouvez pas, il y a le partenaire là qui est là, qui est sur le terrain. Dans le même domaine, il peut faire quelque chose. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est bientôt dans deux ans. En tout cas, cette nouvelle mine, euh, dans deux ans, elle, pourra commencer, en tout cas d'après les projections, à, produire. Euh, alors, quel, quel, quel commentaire C'est une bonne chose, si le début de l'activité de la mine. Parce que, vous <coughs> savez, ça va réduire constamment le chômage, des Nigériens mm. seront embauchés. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est une ville qui va se créer, des activités génératrices de revenus autour de cette ville va vraiment permettre à des Nigériens de souvenir à leurs besoins. Et l'État également va gagner sa mm. part. Moi, je pense qu'il faut que nous, Nigériens, aujourd'hui, que ces gens-là, parce que vous avez vu, c'est l'Occident, c'est la France. Hein. Quand ils ont, ils ont commencé à venir à traîner leur vestin, hein, il faut que nous aussi nous soutenions parfois nos autorités mhm. dans des dynamiques. Mhm. Parce que quand la personne, vraiment, il, c'est quelqu'un qui a travaillé avec euh, mhm. Areva. Il connaît très bien. Si Issouf aujourd'hui a pu vraiment sortir ces phrases. Et ça, vous avez 15 secondes. Non, oui, si Issouf a pu sortir ces phrases-là, c'est qui veut dire qu'il y a un problème. Donc, c'est à nous, peuple nigérien, vraiment de mettre toute, considération à part et de le soutenir dans cette dynamique, affronter ces gens-là qui nous ont pillés depuis 1970 à aujourd'hui dans le secteur. Garé rapidement, vous voulez dire ah, quelque chose Je vais revenir sur, la, la, concomitance entre les paroles du président hmm. et la sortie de, de, de Orano. on sent bien qu'il y a la panique ah, dans le bateau. Mais enfin, eh, c'est-à-dire il faut que, faut que nous comprenions les choses. Il faut que euh, les d'Orano comprennent que le Niger a changé de la même façon mm. que Orano a changé de nom, mm. mais ce sont la même structure, n'est-ce pas Nous aussi, on a changé. Le Niger n'est plus comme avant. Les pays africains ne sont plus comme avant. Maintenant, c'est terminé cette, période-là. Alors, c'est sur ces mots que prend fin le forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions avec Gary Amadou, journaliste au quotidien de La Nation, Ousseini Issa, journaliste freelance, Issa Morumadougou, journaliste à la radio, Télévision Ténéré et Elal Suleiman Mahamadou du journal La Ligne Niger Inter. Présentation à Lassane Kouzi Mahamadou. La technique assurée par Ousseini Isaka. Euh, n'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire du programme Jeunes demain samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada et à partir de 18h15 samedi le forum en Hausa sur le thème non-assistance à personnes en danger et en Zarma dimanche à la même heure sur la drépanocytose. Bonsoir.